fondateur de l'APR ici à Darfoudos. Également aussi coordinateur du collectif des conseillers pour une gestion transparente de la commune de Darfoudos. Résolution du point de presse des conseillers pour une gestion transparente des, ressources de la commune de Darfoudos. Monsieur les conseillers et conseillères, chers sympathisants et camarades de parti, Monsieur les notables, honorables et distingués invités, Auguste Assemblée. C'est une grande émotion que nous avons l'honneur et le grand plaisir de nous adresser à vous, chère population de Dar Khoudos, pour communier avec vous, mais surtout partager avec vous les temps forts de ce grand rassemblement dont l'objectif principal est de chercher ensemble les voies et moyens devant sortir notre chère commune de la terreur et la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis sa création pour enfin nous orienter résolument vers les rampes de l'émergence. En effet, depuis sa création suite à la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales, suivi de l'élection de son conseil municipal en 2014, la commune de Dar reste confrontée à de nombreux problèmes malgré l'immensité et la diversité de ses ressources agricoles, halieutiques et minières. Chère assistance, permettez-nous de vous signifier que l'émergence et le développement d'une commune ne dépendent pas forcément de la richesse de ces, termes, de ces termes mais plutôt du caractère sincère et de la compétence des, des hommes qui les dirigent et l'administrent. Autrement dit, chers camarades, notre commune ne souffre pas d'un manque de ressources, mais elle souffre de l'ignorance et de l'incompétence de, son maire et de ses acolytes, dont le seul objectif depuis leur installation est de se servir au lieu de servir les populations. Ainsi, depuis 2014, date à laquelle Monsieur le maire a accédé à la tête de la commune, quatre budgets se sont succédés sans que ce dernier ne soit hum, pas capable de mettre sur pied un programme ou des réalisations à même abréger et ou de réduire les souffrances quotidiennes des populations qui restent confinées dans la pauvreté et la misère. Ainsi, depuis 2014, nous avons voté un budget total égal à 1 milliard millions. 1 milliard 371 millions 1 1 milliard 371 millions Chers camarades, ces sommes, ces faramineuses devraient pouvoir transformer positivement le vécu quotidien de ces dignes citoyens de la commune ou simplement faire l'objet de construction d'édifices publics au grand bénéfice des populations au lieu de servir un camp où son maire véros sans ambition et sans éthique. À cela, il faut ajouter la gestion gabégique et nébuleuse dont le maire fait l'objet depuis son installation en, euh, état civil depuis 2014 à mi-2017 fonctionne avec des papiers administratifs sans timbre fiscal. De l'argent provenant des mutations des champs versés en liquidité à la mairie, à la mairie en lieu et à place des ordres de recettes destinés au trésor public une violation grave du Code des collectivités locales avec un conseil qui, se réunit rarement alors que le Code prévoit au moins une rencontre tous les trois mois. Une discrimination dans l'organisation des, des audiences foraines. En effet, la mairie a refusé de traiter plus de 400 extraits appartenant aux populations de Diogo-sur-Mer sous prétexte, sous prétexte que ces extraits devraient passer par des conseils qui lui sont favorables. À cela, il faut ajouter que même ceux qui avaient versé de l'argent et déposé leur demande leur demande d'extrait pendant ces audiences foraines courent toujours derrière leurs extraits faute de registre à l'état civil. Face à cette pléthore de violations et de dérives, des conseils responsables et soucieux du devenir des populations ont décidé, en synergie avec des nobles et bonnes volontés, de mettre sur pied un cadre de concertation dénommé initiative pour une gestion transparente de la commune de Darfoudos. Un cadre qui se veut un lieu d'échange et de réflexion pour que notre chère commune soit définitivement mise, mise sur les rails de l'émergence, comme nous le recommande son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, secrétaire général de notre parti Alliance pour la République, à qui nous renouvelons nos remerciements, nos engagements, notre soutien indéfectible pour une victoire éclatante dès le premier tour au jour électoral de 2019. Pour ce faire, en tant que militant du parti depuis les premières heures en 2009, nous avons jugé nécessaire de vous interpeller, cher président, secrétaire général de l'APR, pour une solution par rapport à un certain nombre de points, afin que les dérives du maire ne fassent guère l'objet de votre sanction, comme ce fut le cas lors des récentes élections législatives où le maire a perdu 11 des 12 bureaux de vote de son fief. Un scénario que nous avons du mal, un scénario que nous avons du, mal à digérer car le parti APR reste et demeure un patrimoine pour nous. Nous l'avons vu naître et grandir ici. Nous ne saurons accepter sa ruine ou sa décadence par qui que ce soit, car depuis l'élection présidentielle de 2012, Dar Khoudos et sa population ont massivement adhéré à la cause et à la politique de son Excellence le président Macky Sall. Cependant, depuis 2014, l'électorat de l'APR euh, chute d'élection en élection à cause de son maire. Ainsi, cher président, conscient de l'intérêt que vous accordez à l'agriculture, et de son esthétique comme étant le fleuron de l'économie nationale, nous avons le regret de vous informer que les paysans de Darokhoudos, notamment ceux situés dans la zone dite Kaken, souffrent aujourd'hui des mauvaises eaux jetées par les ICS. Ce qui, inonde les, périmètres agricoles et détruit et détruisent les récoltes et par, conséquent, euh, par conséquent les populations qui avaient opté pour l'agriculture en lieu et place des routes sinueuses de l'immigration clandestine. À cette menace s'ajoute la création à proximité de carrières de béton dont la poussière pollue l'atmosphère. En, effet, cher Président, ces carrières constituent une menace sérieuse contre les cultures et les, et les plantations de mangue dont les rendements sont en chute libre depuis l'existence de ces carrières sans compter le danger que représente pour la santé des populations environnantes et des paysans en particulier. Monsieur le Président, nous avons le plaisir de vous rappeler que Darfoudos vit certes de, ses usines, mais son agriculture reste la locomotive de son économie et demeure le secteur qui emploie 90 à 95 de sa population. C'est pourquoi nous vous prions solennellement de donner des instructions pour, rendre à, nous, à nouveau fonctionnel le tuyau Mawan qui alimentait les champs de ses paysans en eau et qui est suspendu depuis quelques mois. À cela, il faut ajouter l'électrification des villages de l'axe de la, route des Niayes, de, San, de à Sao, en passant par Njob Sao, Balsan, j'en passe sans oublier les villages de l'axe de Ker à Hongkoya, et en passant par Djogo, où l'électricité, même si elle est alimentée, n'est pas encore mise à la disposition des, euh, populations. Cher Président, nous ne saurons oublier la nécessité d'électrifier les villages traversés par, le réseau haute tension Segel, Andal 1, Andal 2, Nyangé, Palen, Djobas, sans oublier Daru Bey, Daru Salam et Diogo-sur-Mer. À cela, nous ajoutons la nécessité de filtrer et de rendre potable l'eau des forages de Daru Salam, Fasboy et Diogo la mise en alimentation du forage d'Aroubay. Cher Président, espérant que nos suggestions trouveront solution, nous ne saurons terminer notre propos sans vous renouveler notre engagement et notre détermination, mais surtout un compagnonnage pour un Sénégal émergent de tous et par tous. Nous vous remercions de votre aimable attention. Responsable politique du euh, mouvement de pour en 2019 euh, di dans la commune de conseil yi ak conseillères yi fi nekk yëpp camarades de parti imam yi notables yi ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñu ñu ngi wax ba que ñu nuyu ñëpp dañoo am mbégte tey daje ci ak yéen pour wax ak yéen jafe-jafe yi nga xamante ni tund wi ak commune bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi koy am te loolu ki nga xamante ni moo ñu ko teg tey jii mooy élection wu maire bi nga xamante électorat wu maire bi xam gañe na ko téye ko te mënu ko saafara depuis boobu ba léegi nag en 2014 jàpp nañ ni commune bi feebar yi fi nekk dafay gën a jëm kanam amul benn yoon boo xamante ni feebar bi wàññeeku na ci loolu nag ñu dajaloo toog saytu xam ni que lii bi ñu ci continuer du nekk loo xamante ne jëmale kanam commune bi te mi ngi gën a am ay problème te ku wax commune Daaru Xudoos xalaat mbay xalaat usine xalaat napp xalaat càmm xalaat euh, élevage te loolu lépp dafa ñëw sooxe comme sooxee na nag tey jii nii li ko gën a sooxeel tey mooy tëlewu maire bi xamante ni moo fi nekk te jiite ñu comme dafa télé nak te dafa télé ñun dañu bëgg jël suñu matukaay ak suñu saytukaay ñi ñu toog fii nii pour xool leneen li nga xamante mën nañ ko ci def ci incompétence maire bi nga xamante ni fi ñi ngi fe programme gi mu ñàkk programme parce que fi ba amul benn yoon benn programme teg na ci suñu kanam wala jéem na def wala indi na ci biir loolu aussi bi mu ñëwee tegal nañ ko fi ay budget yoo xamante ne nii 2014 wàcce lañ ko fi budget wu euh, téeméeri ak juróom ñeent pour mu égale année boobu noonu 2015 ñu teg ko fi juróom-ñaar fukki ñetti téeméeri million ak juróom fukk ak ñeent ci 2016 ñu teg ko fi ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci 2017 ñu teg ko fi téeméeri million ak ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu bi ñu ko xaymaa mi ngi toll ci benn milliard ak juróom-ñaar fukk ak benn million yoo xamante ni jaar na ci loxoom te ñun xamuñu fan la ko jaarale xamuñu lañ lañ ci def donc loolu mo waral tay ñu taxaw ni dañ koy wut fu ñu saafara ci bir loolu ñu xamni ni que moom tëleem bëri na kon bu tëleem bëree ndol gi dina ëpp ci dëkk bi ndol gi dina taxaw gëna ñoo indil problème bo xamanteni ni nit ñi duñ ci am fenn fu ko saafara loolu mo waral daje bi tay ji ni amuñu nak ay salle de fête yo xamanteni ni def na ko ci xaalis bobu sax ñu mën ko nattable ni xalé yi sax am nañ fu ñu mën dugg tey wala mëna na fu ñu mën du juma du ciaka du église du fenn fo xamanteni gis nañ ci xaalis bobu fu ñu ko mën a dugal xaalis boobu nag jàngat nañ ci ni mairie bi boobu ba léegi mi ngi liggéey ci wàll fiscalité boo xamante ne amul benn timbre boo xamante ne mën na kaa mandargaal te ñun loolu yaakaar nañu du yoon jàpp nañ ni aussi ni xaalis bi mi ngi dugg ci commune bi nit ñi fi ñëw di jënd ay suuf bari na te xaalis bi ñu ngi koy fay genn benn bi ñu ngi koy mairie benn bi ñu ngi koy fay fii ci mairie bi benn bi ñu ngi koy bu te loolu aussi euh, gisuñ ci dara loo xamante ni jëmmal la commune bi loolu moo tax tey jii nii ñun conseil yi nga xamante ne am nañu Pastef pour jàppale président Macky Sall ñu toog nag taxaw àndandoo dank def benn dank pour toog wax ak askan bi tey ni leen lii dafa war a jeex parce que maire bi mi ngi saax-saaxee dëkk bi te ku xam ICS xam jogo xam tool yi xam loolu lépp xam ni fii dëkk bi dafa waroon a naat tey te naatul baykat yi ñi ngi toog mbaaw mi amatul ndox mi euh, place yi ñu jotoon am tuuti pour mën ci bay ndox ma wal na ko mango yee dee na poussière ba yàq na ko loolu nag président de la République président de la de la république dañ koy euh, wax ni que ñun suñu waa dëkk bu usine bi passé mbay kese kese la ñu am boo xam ne moom la ñu war a dundee te population yi nag sonn nañu te ñi ngi koy xaar ci loolu moom mu àdduñ ci loolu parce que yaakaar na ni comme moom moo fi nekk kilifa wu Sénégal yëpp moom la ñu yaakaar tey ji moo ñor taxawal ci mbay moomu pour mën a suqaliku usine bi nag embauchetul kenn yoratul kenn coo xamante ni yaakaar ay embauchement kon foofu aussi ñi ngi koy ñaan moom président depuis 2009 euh, ba léegi bi ñuy euh, APR ñëwee Daara Khoros ñëpp dañu maase ànd ak moom nekk ci am nekk ci parti bi ci liggéey guddi ci liggéey bëccëg loolu la El Hadj dëkkee loolu la euh, vie dëkkee man loolu la dëkkee waaye nag seetlu nañu mu ngi wàññi wàññeeku bu baax électorat bi mi ngi wàcc bu baax a baax li koy wàcce nag du dara du dul maire Magor Kane bi nga xam moo nekk ci dëkk bi te deful li mu war a def wala bu koy def mooy mi ngi koy dundee ci dundalewul dëkk bi moo tax électorat tey jii nii mi ngi gën a chuté te dafay gën a parce que sur 12 bureaux de législative yi passé il a perdu on a perdu ñàkk na fa euh, fukk ak benn kon loolu aussi bay boo mu càmbar ko xool bu xam ni que li ko ko ñàkk loolu kenn ku dul le maire Magor kan kon président de la République bi nga xamante ni ñun moom la ñuy liggéeyal tey moom la ñuy liggéeyal suba ndax daf ñoo wan li nga xamante ni moo tax ñu war a nekk ci am tey jii mooy Sénégal émergent bi mooy euh, li nga xamante ni lépp nit ku bëgg a waaye ak nit ku bëgg a dund nit ku bëgg a avancé ñu ngi ci ay jéego yoo xamante ni ku ci nekk teg na sa bët loolu moo tax tey jii ñun aussi ñu jàppaloo booloo pour ànd ak moom pour dimbali ko pour fal ko au premier tour te loolu yaakaar nañ ni bu ñu jógul nag def massivement li ñuy def nii liggéey bi ñu def nii tey jii nii bu 19 ñëwee mën nañ koo njuuy parce que sax suñuy baykat dañoo mer suñuy euh, jigéen dañoo mer suñuy ñëpp dañoo mer te loolu moo tax votre sanction boobu suñ ko teelut a liggéey tey votre sanction boobu mën na ñëw suba te bu ñëw suba ñun ñi dañuy nekk ay responsable loolu moo tax tey jii nag ñu taxaw ni dañuy taxawoo jàppandoo dóorandoo wax kat moom bu am lii amee votre sanction bu amee c'est à cause de son maire Magor Kane bi nga xamante ni mi ngi fi jël askan bi noot leen toog seen kaw di dundee li nga xamante ni moo fi nekk te loolu ñag ñun duñ ko seetaan parce que ay conseillers la ñu xamante ni nous sommes respons am nañu responsabilité ci conseil bi moo waral tamit tey jotaay bii nii ku ne xam na ni aussi mbay mi 95 pour cent yi nga xamante ni askan yooyu nekk ci dëkk bi ñi ci nekk 95 pour cent des de la population ay baykat lañu. ay baykat nag ku ko wax da ngay xëy dem tool ba demee ba amatoo suuf soo dundee nag soo bayee pour dund tool boobu amatul kon baykat boobu turu baykat amatu fa néew fa nekk loolu nag la ñu bëgg président de la république jàppal ñu si suñu commune bi pour que suñuy baykat jot jot seen place bayukaay jàppale suñuy euh, commune bi pour que suñuy bat baykat am ay kayit seen tool bu ëllëgee ku fa sotti ndox ñu ma la yóbbu tribunal directement te El Hadj du fa ñëw Malick du fa ñëw Vieux du fa ñëw loolu aussi soxla nañ ko fii bëgg nañu aussi ku ñu jàppale ci ay euh, ay euh, ndox courant bi nga xamante yenn poté samp nañ ko xam dañuy naxe u naxewuñu moom na ñëw jël responsabilité moom le président de la République jàppale ñu si courant boobu egsi fu demee ni que Ndiop Saaw fu demee ni que Kër Allé loolu nag tamit ñu ngi ko ci interpellé moom président de la république nga xamante ni moo ñu jiite ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu ci loolu parce que ñun aussi pour ñu taxaw ci askan bi di bëgg di leen indi di leen oo di leen euh, liggéeyloo faw mu jàppale ñu ci yenn yi xamante ne nii mooy tax bu ñu waxee suñu population ñu mën ñu jox cër mën ñu jox respect mën ñu jox engagement ñii nag am nañu engagement bu baax a baax suñu ginnaaw depuis boobu ba léegi nag moo tax tey jii ñu mën a dajal salle bi li fi dajaloo te bi mu tombeel motax tax waron dajé daje dajeewul tey mais yaakaar naa ni ëlëk ñu ngi ñëw daañu gis exactement manifestation yi xamante ne ñun taxawal nañ ko pour jëmmal commune bi kon euh, ñi ngi déllo aussi di feddali euh, suñu nek ak le président de la république le maître euh, son excellence Macky Sall ñu xam que ñun mom lañuy nekkal pour que au premier tour en 2019 mu am mu gagner ko ci kenn ci werante dara loolu moo waral tey ñu toog fii waaye nag bu ñu toog fi tamit il faut ñu xam ni que suñu maire mi ngi ci dëkk bi mi ngi ñuy sonal mi ngi ñuy bunduxataal mi ngi ñuy euh, piétiner te loolu muy def lépp teg ko fenn fu dul ci bànneexam ci bakkanam euh, ku ne gis na route des bi la fa nekk Sofia mi nga fa Africa Energy mi nga fa ICS ma nga fa ñun xamuñu fi dara te responsabilité boobu ci loxoom la nekk moo waroon taxaw tey askan bi kaay leen lii fi am lii fi xew lii ak kii kaay koy pencoo ñu pencoo ko pour mën a gis ay solution mais pencoo amu ci solution amu ci égal daal nekk ci biir néegam wala ci fa mu dëkk def la muy def bu génnee ñu amu ci benn benn responsabilité xamuñu dara lu xew dañuy dem nag ba xamante ni nii la mu duggoon tële na wala yàqu na ñu doog a xam ni lii lii moo ko waral loolu tamit ñu ngi ci taxaw di ci interpréter euh, le président Macky Sall pour mu xam ni que ñun ñi liggéey bi ñuy liggéey am na koo xamante ni nii euh, mi ngi koy yàq te benn nit benn pomme de terre nag mën naa yàq saako pomme loolu aussi il faut que le président xam ko di ko renouveler suñu engagement derrière euh, lui di renouveler suñu engagement ci parti APR parce que nous amuñu feneen fu ñu jëm amuñu feneen foo xamante ni mën fee ñu feneen jëmuñu feneen fu dul APR depuis 2009 ba fi ñëwee ba léegi xamuñu beneen parti gisuñu beneen parti te duñu xam beneen parti duñu gis beneen parti loolu nag bi kee dañ koy liggéey nangu nañ à 100 mais nanguñ ko yàq ki ko yàq il faut ñu jàmmaarloog moom wax ak moom vilipande ko xamal ko ni dëkk bi doxul parce que yaa ko téye dëkk bi nag ñi ko man doxal ñi ngi fi ñoo tax ñu ñu taxaw tey jii nii étant des conseillers jël suñu responsabilité ni lii dañ ko bëgg a jël en jël engagement bi pour def ko ba mu sotti wasalaam ñi ngi nuyu waa Daaru Xudoos ñu ngi sant le président Macky Sall